Monde quotidien d'aujourd'hui, 4 juin 2023. Considérons le thème Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifier aujourd'hui pour ce que tu as fait dans vie. Seigneur, nous savons qu'il y a toujours de l'espoir. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes toujours de la foi et toujours de l'espoir. Seigneur, aide-nous à accueillir cet espoir au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a toujours de l'espoir. Nous allons continuer notre tête de lecture dans Ézéchiel chapitre 16. Nous allons partir du verset 53. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons partir du verset 53. Ézéchiel 16, chapitre 53. Et verset 53. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de homme et de ses filles les captifs de Samarie et de ses filles, étaient captifs au milieu de, de, l'heure, afin que tu subsistes ton pauvres et que tu réjouisses de tout ce que tu as fait en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses, ses filles, reviendront à leur premiers état, Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne décourages-tu ne courrais tu pas sur ta sœur Sodome et le temps de ton orgueil avant que ta miséricorde ou bien ta méchanceté soit mise en nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie, la Syrie et de tous ses alentours, tes filles, tes Philistins, qui te méprisaient, méprisaient de tous côtés. Tu portes des crimes et des abominations, dit l'Éternel. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Je te souviendrai de ta conduite, et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs les grandes et les petites. Je je te les donnerai pour fille, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rejustes, que tu te réjouisses, afin que tu n'oublies, euh, tu n'ouvres plus ta bouche et que tu sois confuse, car je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Le verset clé, c'est Néanmoins, je me souviendrai de mon alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Amen. Il y a toujours de l'espoir. Le voleur sur la croix a, aux côtés de Jésus, était l'une des personnes les plus chanceuses qui ait jamais vécu sur terre. Il n'a jamais adoré Dieu. Il était une menace pour la société et vivait exclusivement du crime. Il a été condamné à mort avec son complice pour une infraction qu'il avait commise. Heureusement, le jour de l'exécution, la considère avec le jour où Jésus a été crucifié. Juste au moment de la mort, il a reçu la parole, le pardon et s'est assuré un lieu de paix éternelle. Dans notre texte d'aujourd'hui, il y avait un message d'espoir dans une triste histoire de trahison. Les gens iraient en captivité à cause de de idolâtries. Il reviendrait au pays non pas en étant que nation indépendante, mais seulement en tant que peuple identifiable. Israël de Dieu. Ézéchiel conclut allégorie avec le, le message d'une nouvelle alliance. Bien que Dieu soit en colère contre les méchants, il est toujours prêt à recevoir le pécheur ou un retourgade qui choisit de retourner au Versailles. Les bénédictions de l'alliance de Dieu sont pour ceux qui choisissent de s'amender. Ils appellent le pécheur et le regarde à venir à lui pour sa résurrection, pour sa restauration. Il n'y a pas de désespéré, des cas désespérés que Dieu ne puisse pas réparer. Tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. Si vous voulez le voleur c'est la croix, vous repentir de vos péchés et de croire au Seigneur Jésus-Christ, vous gagnerez leur vous gagnerez pour vous-même une demeure éternelle au ciel. Mais par conséquent, faites-en pas de foi et recevez de votre voyage servile aujourd'hui. Amen. La pensée du jour dit, bien que vos péchés soient rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Bien que vos péchés soient rouges comme la cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. La Bible en un nom. 1 Chronique chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. 1 Chronique chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. Prions, Père, nous te remercions te Seigneur, pour nous avoir aimé tant. Et Seigneur, tu nous appelles à venir encore vers toi. Quel que soit le péché, quelles que soit les circonstances, Seigneur, qu'on doit venir vers toi. Par tes mères, tu donnes toujours ouvert à nous. Aide-nous, Seigneur, à accepter ce t'appelle et venir vers toi. Les gardes, les pécheurs, et Seigneur, n'importe qui qui veut t'en toucher, viens vers toi. Donne la grâce à le faire sans honte au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen.